ne vont pas travailler et je pense que Lingawarni mon ni peut-être mon ragal euh, euh, euh, j'utilise encore des guillemets, pour pouvoir même s'exprimer par rapport à sa candidature ou non pour 2000 pour 2024 parce que mon xam ne bu ci ci langue grecque rek. parti bi pëccoxoo. xam ah, tu sais il y a beaucoup de météo politique. Mm-hmm. et vous n'allez pas être surpris vous vous verrez c'est vous les analystes politiques il y en a beaucoup que vous voyez en son sein.

Il pense qu'il faut en jouir jusqu'au dernier moment après Bédéco. Et vous allez le Sénégal va les juger un jour. Hein. Dans la vie, si tu as une conviction, comme on dit, on vit ensemble, on meurt ensemble. Mais nous, on n'est que météo politique. Le président, il faut de C'est pas pour rien l'opposition se bat pour qu'il ne soit pas candidat. Parce qu'ils savent que s'il est candidat, il passe. Vous ce Le président est aimé dans ce pays-là. Parce que le Sénégal, c'est pas le Sénégal du bruit là le Sénégal est en train de changer positivement man Kolda laa dëkk nee naa la bi Macky di fallu munu mo won dem Vélingara munu mo dem par une route normale loolu yëpp ko Amna naa Amna amna Amna ndox amna amna. et c'est ça que les Sénégalais jugent et l'homme aussi qui a une vision mais malheureusement les météos et les appareils politiques sont en train de nous polluer man dama bëggoon buñu ñu ñom ñu bayyi légui ñu bayyi ñun kessé ñu demal suñu bop xol ngeen xamni président bu taxawé day jëlat bu mm. mais je n'accepte pas qu'en notre sein il y ait toute cette hypocrisie politique et vous voyez d'ailleurs ça commence hein. il y en a qui vous disent ouais moi je suis pas vous n'êtes pas d'accord mais vous devez dès le premier dès dès sa réélection en 2019 partir le problème nga dem mais quel président ni je suis pas d'accord du troisième mandat Ni ni ñi ni ah. ñi jege am doolé am tour ñu leen di xaaral tuuti Makumba ding ma woowaat xeyna yow bi meena la keroog xamna ni RFM ngay gëna faral di nek hmm. mais ding ma woné ma waaw waxon nga ma ci émission déclic ni amna ay nit yi nga xam dañ doon xaar président joxe candidature am pour ko hmm. adiw de beddeeku ne man la waa waxoon ko man ma la ko hmm. tay <laughs> mais parce que gëmunu xam nga politique aussi da ngay and ak nit par conviction ñun nak dañu bari ci wétam je dis y en a qui vont partir c'est vrai mais la grande majorité est avec lui dans l'appareil mhm. xam nga yaa ngi parfois des velléités même dans Benno Bokk un parti politique qui est dans Benno qui fait aujourd'hui du bruit qui dit non je suis dans le dans le giron demain tout ça c'est des tentatives xam bon y en a qui ils n'ont qu'à partir s'ils veulent nous on va se battre et on va les lire s'ils le veulent mais waxuma waa Benno waa APR laa wax yaakaar nga bis bu ne damay dokkaat mbër am ci ministre yi le premier ministre bi ñoo xam dañuy L'appareil appareil politique de indi au pouvoir s'appelait Maki 2012. Mm. au départ. Mm. voilà Donc après il y avait Maki 2012. Mm. après c'est devenu Benno Bokk donc ci diggante bi ñeneen ñu bëri ñoo nañ bennoo ci biir quoi comprendre mais même dans l'APR aujourd'hui moi je je je je vois le président il a envie de travailler pour ce pays-là imaginez quoi que sa préoccupation aujourd'hui pourquoi il est à vous pensez que nous, là, qui connaissons Kolda Ba, on ne sait pas l'utilité du pont de Marsassou Nous, on sait les mots Vous savez, yow da nga daan tog, sa ce sa jumaawu dëkk da nga daan rus di fa nga am ko ak ak comprendre nga ngi hmm. mais maintenant l'appareil politique où est l'appareil politique qui accompagne le président il est timide et si je n'étais que l'analyste politique que je devais être je vais dire il est à réaction il est à réaction et c'est dommage qu'il soit en réaction. Nous ne devons pas être là. Aujourd'hui, c'est nous qui devons imprimer le débat politique. Mais il y a un débat sur des questions économiques. a politique publique. Alors que sur ces sujets-là, nous sommes à l'aise. On nous a, on nous a embarqués. Si je dis, c'est pas parce que je suis en train de critiquer la paire, mhm. mais je critique la direction que prend aujourd'hui notre marche. On nous a imposé aux élections législatives dernières un débat sur un bilan immatériel et on l'a accepté. Voilà. Et on va nous l'imposer en 2024. C'est encore les mêmes prémices. Pourquoi on va l'accepter Pourquoi on ne s'assoit pas, nous, en tant que laboratoire On dit on n'a qu'à y répondre. Mais le président n'a pas été élu pour des questions de bilan immatériel. Il a été élu pour travailler. S'il a bien travaillé, qu'on le dise. Oui, mais on a bilan immatériel. mais sur le bilan immatériel. Nous, nous avons nos arguments. Mais pourquoi nous sommes là pour répondre pourquoi nous devons être là à répondre à la gifle de l'autre, mm. de, quelque adversaire qu'il soit.